asalaamaaleykum monsieur Ablaye Sow. aleykum asalaam wa rahmatulah Thiès Info. tey la woon sa procès at euh, monsieur Yankoba Diatara gis nee ni tribunal dañ koy renvoyé lan moo si sa impression par rapport à cela. waaw tout à fait normal xam nga tey session assise dafa am donc tribunal euh, bu assise amee day bàyyi lépp jublu ci assise yi parce que loolu vraiment day li nga xamante ni euh, lu am solo la pour askan bi moo tax tout ce qui est civil commercial dañ koy renvoyé. maintenant les dates de renvoi c'est en euh, juillet en septembre en octobre novembre décembre parce qu'au mois de travail y a les vacances judiciaires mais le tribunal il na renvoyé date de renvoi. puisque depuis le 27 euh, février 2018 la au 24 juillet dans 15 jours à la prochaine session non non sauf cas de force majeure hein, parce que bon vous êtes assis, vous êtes dernière session bi maintenant vous êtes, par exemple euh, le 24 il se pourrait qu'il y ait bon la session de la cour d'appel bon mais là aussi euh, du un obstacle hein, parce que même dans l'après-midi on peut plaider parce que dañ inscrit inscrire en plaidoirie donc vous na dem l'après-midi bon là je ne pense pas je ne pense pas je pense que le tribunal va vider cette affaire à la prochaine session. mais est-ce que renvoi est fait amul effet par rapport au procès du tout du tout du tout du tout xam nga tribunal moom tribunal bu affaire dossier bi yegsee ba tribunal rek tribunal dafay àtte à moins que partie yi daal di def conciliable maanaam waxtaan seen biir déggoo daal di mais tant que abandonné wuñu tribunal koy àtte bon maintenant les renvois en général euh, deux effets la am bon benn bi bu jiitu bi mooy effet humain ña seq mbir mi xam ne ay nit lañu réeroo amul ñàkk waxtaana ñu waxtaan daal di à permettre tribunal de faire def procès parce que un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès C'est le premier effet l'effet humain beneen bi également euh, les renvois permettent aux parties de prendre vraiment connaissance du dossier comme ça ëllëg même si on est kenn à wax ni ah de dafa am lu ci manqué parce que le temps judiciaire c'est lay jëriñ day may ñëpp assez suffisamment de temps pour que nous prendre euh, connaissance totale du dossier donc, il les deux effets. Bon, donc, ce qui fait que quand le tribunal rend un jugement, pour moi, ça y appel. Parce que c'est des jugements qui sont fondés sur l'intime conviction du juge, à partir d'éléments probants. Mais man, amna yakar le 24, bon, euh, affaire bi Bon, monsieur Diatara dina répondre de ses propos. Bon, et nous, au niveau de la partie civile, on verra si ça va nous satisfaire ou pas. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Djerejef Info.